Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire euh, du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la première réunion du Conseil national euh, de dialogue politique CNDP au titre de l'année 2022. Ensuite, nous parlerons de la situation du paludisme qui est en baisse cette année au Niger selon le ministre euh, de la Santé publique. Легко. L'actualité, c'est aussi euh, la visite euh, dimanche euh, au Niger du président de la transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Maimouna Diado, bonsoir. Bonsoir. Alhaj Mohamedou Souleymane, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Alhaj Mohamedou Souleymane, bonsoir. Bonsoir. Et Ousmane Sidikou Doumbia, journaliste indépendant. Euh, Ousmane coup bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. le Royaume-Uni est en deuil. En effet, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, est décédée jeudi 8 septembre dans l'après-midi et dans son château écossais de Balmoral, âgée de 96 ans. La monarque la plus ancienne du royaume a régné pendant plus de 70 ans. Un deuil national de 10 jours est décrété. Son fils, le prince Charles, lui succède automatiquement et devient le roi Charles III. Alage Mahmoud Suleiman, que peut-on retenir ou bien savoir au sujet de la reine Elisabeth qui s'en est allée mais, ben, euh, le son long règne, vous venez de le dire, euh, elle a presque ce sont 11 ans de, règne, donc elle a battu le record dans son pays. On retient en tout cas une grande euh, personnalité qui a marqué son temps. Euh, nous, en tant qu'Africains, l'élément euh, qui me vient à l'esprit, c'est le rôle qu'elle aurait joué dans l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Et je crois que cette thèse est crédible parce que Nelson Mandela, en 1995, l'avait même euh, invité en Afrique du Sud. Euh, euh, de ce point de vue, je pense que ce n'est pas rien. Cela voudrait qu'elle est attachée véritablement aux, valeurs universelles. Ça, c'est à noter. Et son, de là, son, en tout cas, dans la politique mondiale, elle a joué un rôle. En tout cas, les historiens euh, retiennent qu'elle a, en tout cas, qu'elle a régné. Parce que quand même, la particularité de leur pays, vous voyez un peu euh, un État, une puissance euh, qui a conservé ses, ses, valeurs. cela, effectivement, nous interpelle sur la nécessité, effectivement, de conserver nos, nos valeurs traditionnelles. C'est-à-dire que, vous voyez, ça peut paraître un peu paradoxal où, en Occident, tous ces pays on quitté la monarchie, mais la Grande-Bretagne a conservé cette valeur et ça fait euh, référence. Euh, aujourd'hui encore, c'est son fils aîné qui vient de prendre. Donc, bref, euh, on a vu à travers les médias, en tout cas, ça fait donc presque euh, euh, toute, euh, ce, la, semaine. en tout cas, elle marque l'actualité des éditions spéciales au niveau des grands médias. donc, pratiquement, c'est cela. En fait, elle a joué sa partition donc, durant son règne. allez-y. je ne peux que augmenter, ajouter à ce que Suleiman vient de dire. C'est vraiment une vraie conservatrice, tout le monde sait cela. Et euh, on sait également qu'elle a dirigé, en tout cas avec fermeté. Si aujourd'hui l'Angleterre est arrivée à ce stade, c'est parce que elle a, elle a dirigé une euh, Angleterre de sa manière, à sa manière. Et euh, il faut également regarder aujourd'hui qu'elle était plus proche de son peuple. C'était vraiment une femme dynamique, une femme qui est toujours à l'écoute de son peuple une femme qui a toujours tendu la main à ceux qui veulent prendre sa main. Donc ça veut dire qu'elle n'était pas aussi renfermée comme pensaient peut-être d'autres. Elle était tellement ouverte parce que c'est vrai, moi je ne pourrais pas euh, raconter principalement donc euh, son règne puisqu'on était encore des enfants. Euh, on l'a trouvé, la reine d'Angleterre Elisabeth II, Elisabeth II. Mais finalement, euh, il faut considérer que c'est vraiment une femme, une battante. Euh, elle a marqué, en tout cas, non pas l'Angleterre seulement, mais le monde entier et avec sa fermeté, avec en tout cas sa patience de gouverner, elle l'a démontré, surtout quand elle était passée par beaucoup de choses, beaucoup de douleurs, beaucoup de, avec euh, euh, certainement avec euh, les, les, petits problèmes de famille, les grands problèmes de famille. Régner, ce n'était pas facile, mais elle a montré qu'une femme peut pouvoir également régner quand elle a l'ambition, quand elle veut quelque chose pour son peuple. Elle l'a démontré et elle a régné, elle a régné, elle est partie à 96 ans. Je me dis qu'elle a battu le record. Aujourd'hui, n'est pas donné à n'importe qui d'atteindre euh, un âge comme ça et d'être également euh, robuste comme elle était. Merci, Mme Gado. du coup, allez-y. <coughs> Je veux joindre ma voix à celle des collègues. Euh, la mort d'Elisabeth II clôt un règne de plus de 110 ans une dame qui a su avec maestria vraiment euh, régner aux commandes de, la Grande-Bretagne. Ce qu'on retient d'elle surtout, euh, c'est une dame qui a assez de poigne et sa première euh, action, c'était même euh, son mari, le défunt Philippe, parce que sa famille, pour sa famille, euh, il n'était pas à la hauteur, de, il n'était pas de leur rang comme dit. Elle a su imposer son défunt mari, le prince Philippe, comme mari, parce qu'ils se sont aimés, elle l'a aimé étant adolescente depuis l'âge de 13 ans. Donc c'était vraiment, ça démontre tout son caractère, son trait de caractère. Et cette dame, euh, Maimoun en a parlé, malgré les différents scandales qui ont émaillé la, la, royauté, notamment l'accident euh, de Lady Diana, avec, euh, bien qu'elle ait divorcé avec son prince, l'actuel euh, prince Charles III. on a vu le mariage célébré avec Meghan et son petit-fils Harry. Bref, tous les scandales qui ont à un moment donné voulu écorner euh, l'image de cette royauté, elle a su quand même maîtriser euh, vraiment pour que le royaume puisse continuer à jour de cette cote de popularité. La preuve, vous avez vu la vague d'émotions à travers euh, le monde. Maintenant, prions pour que son fils Philippe III, qui Charles, III, pardon, Charles III, puisse vraiment être à la hauteur, surtout quand on connaît ses positions, surtout politiques. donc c'est là où beaucoup pense que euh, non seulement euh, est-ce qu'il aurait la longévité de sa mère, mais en aurait-il les coups de euh, cette capacité reconnue à sa défunte mère pour avoir dirigé le royaume Mais comme disent même British, wait and see. Merci Ousmane Sidikou. Le forum de la presse euh, de ce vendredi, c'est aussi cette euh, première euh, session du Conseil national de dialogue politique au titre de l'année 2022 au Niger, tenue le vendredi 9 septembre à Niamey. L'ensemble euh, des groupes euh, des partis politiques ont participé à la réunion dont l'opposition qui a annoncé son retour. Tous euh, se sont engagés à appeler leurs militants à se mobiliser. La synthèse de cette session avec le Premier ministre Oumoudou Mahamadou, président du Conseil national de dialogue politique. On l'écoute. À la suite euh, de ces opérations de recensement qui vont durer deux semaines, le processus d'élaboration, de validation de la liste électorale et d'élaboration des cartes d'électeurs des Nigériens de la diaspora va être engagé, y compris les révisions et les contestations éventuelles sera terminé dans un délai de 90 jours. Et à l'issue de ce délai, le corps électoral pourra être convoqué en vue de l'organisation de ces élections. Nous lançons donc un appel à tous nos compatriotes de la diaspora afin qu'ils prennent attache avec leur ambassade pour se renseigner sur l'emplacement effectif des différents centres d'enrôlement biométrique. En divers, nous avons mis en place un comité chargé de réviser le règlement intérieur du CNDP. C'est que la première révision qui avait été opérée a été faite dans un contexte où l'opposition ne participait pas aux réunions du Conseil national de dialogue politique. Mamouna Diado, votre réaction après avoir écouté les propos du président du CNDP, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou Ma première réaction, c'est d'abord se féliciter du fait qu'il y a eu déjà une première rencontre et que dans cette première rencontre, l'opposition a accepté de venir en tout cas euh, sur la table au niveau donc euh, du CNDP c'est déjà à féliciter. Euh, pour ce qui est euh, de ce que j'ai... Mais, mais, c'est déjà à féliciter. Qu'est-ce qui a avait été fait en amont Mais c'est ce qui a été... En fait, pourquoi je dis que c'est à féliciter Parce que ça fait longtemps que aujourd'hui le CNDP, tout le monde sait que... Était en léthargie. Était en léthargie. Mais aujourd'hui, ce qui fait la force, c'est que le Premier ministre a appelé les uns et les autres et ils ont accepté de venir. De venir écouter ce qu'il a à dire, puisqu'on dit que c'est un dialogue politique. Ça ne peut, on ne peut résoudre les problèmes politiques qu'à travers le CNDP. C'est le CNDP, c'est là-bas que les, les, politiciens règlent certains problèmes. Je me dis que c'est déjà un pas de bien, un pas en avant, et espérons tout simplement que ça va continuer dans ce sens et que ça aura un fruit, puisque nous, nous attendons des résultats, et il faut qu'il y ait des résultats concrets. Maintenant. Des résultats dans quel sens, Maïmouna Quand je dis des résultats concrets, il ne faut pas venir seulement s'asseoir, en tout cas à la table, ah. parce qu'on a été convié, parce qu'il faut la présence de l'opposition. Mais il faut qu'il y ait des sujets, il faut débattre des sujets d'intérêt national, et c'est ça que nous attendons. Il y a aujourd'hui quand vous parlez, parce que j'ai écouté, il y a eu des débats autour de l'insécurité. Il y a eu des débats autour aujourd'hui euh, du fichier biométrique pour ce qui est de la diaspora. Donc tout ceci, <laughs> nous on attend des résultats. Mais est-ce qu'il y aura des résultats concrets C'est ça que nous, aussi, nous espérons qu'on ne fait pas, en tout cas pour faire, mais on vient avec des choses concrètes qui vont être des choses concrètes qui vont être discutées et que l'opinion nationale pourra prendre, euh, juger si c'est oui ou non, si c'est bon ou mauvais. Merci beaucoup, Mme Diado. Ousmane Sidikou, que peut-on retenir au sujet de la tenue de la toute première session du Conseil national de dialogue politique euh, ici au Niger Dans un premier temps, c'est l'affiche complète, notamment l'opposition, la majorité et les non-affiliés. Parce que, euh, Maïmoun l'a si bien dit, aujourd'hui, tous les acteurs politiques sont conscients qu'au regard des nombreux défis, surtout sécuritaires, donc non seulement le contexte sécuritaire l'exige, la preuve, vous avez entendu l'opposition appeler les militants, en tout cas l'ensemble de leurs militants, à faire chorus derrière nos forces de défense et de sécurité, qui méritent d'être encouragés étant constamment sur le front pour la préservation de l'intégrité territoriale, pour la sécurisation des personnes et de leurs bien, Ça, c'est un. De deux, entre autres, je pense que l'opposition euh, est venue avec euh, certaines de ses doléances, notamment la fameuse question des élections concernant la diaspora, la liberté de manifester, notamment les libertés individuelles et collectives. Bref, ce sont entre autres euh, doléances posées par l'opposition, qui du reste nous pensons euh, pourrait trouver écho favorable du côté euh, de, la majorité et peut-être même beaucoup pensent que la nécessité s'impose de procéder à une relecture du règlement intérieur de ce CNDP qui, selon le Premier ministre l'a il a dit donc euh, qui pour beaucoup a été taillé uniquement de façon unilatérale, c'est-à-dire par la seule majorité. L'un dans l'autre, je suis sûr que les conclusions qui en seront issues impacteront certainement euh, sur notre vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète, les défis sécuritaires nous l'imposent. Donc vraiment, tous les acteurs euh, se doivent de se retrouver à travers ce cadre qui est vraiment, euh, dirons, notre, notre expertise, en tout cas au Niger. donc beaucoup de pays se sont inspirés. Au regard de la profonde léthargie dans laquelle euh, ce cadre a végété. Donc nous fondons l'espoir que euh, il ne suffit pas de créer le cadre pour le créer, pour que vraiment les différents bords, l'opposition, la majorité, les non-affiliés, il faudrait que chacun vienne avec des propositions concrètes dans le seul intérêt qui vaille, celui de l'intérêt national. Et que de part et d'autre, des concessions se doivent d'être faites. Il ne faut pas que, euh, à travers leur ego surdimensionné, qu'ils prennent ou bien qu'ils continuent à prendre en otage le Niger. Le pays n'en a pas besoin. Et donc, euh, moi, je pense que c'est une bonne chose. Nous fondons l'espoir et la forte dose d'optimisme y est pour que les recommandations qui en seront ici puissent être matérialisées quel au seul bonheur du peuple nigérien. Merci Ousmane Sidikou. Alhaj Mohamed l'opposition politique nigérienne a reçu très positivement l'initiative euh, du Premier ministre euh, de relancer le dialogue politique national, a déclaré le secrétaire général euh, du moderne FA Lumana, Mohamed Sani Mohamed, parlant au nom des partis politiques de l'opposition. Quelle est votre opinion à ce sujet? Je pense que quand on parle de dialogue, euh, euh, vous voyez, euh, le CNDP a comme mission essentielle de prévenir le règlement et la prévention des conflits. La gestion. La gestion des conflits. Donc vous voyez, c'est à dessein justement parce que la vie d'une société, même dans une famille, il y a toujours des conflits et il faut des mécanismes justement pour les prévenir ou bien pour les régler. La classe politique, par le passé, vous l'avez dit, le CNDP nigérien était une référence Ou euh, où la classe politique s'entend souvent même en réalité où euh, les gens pensent même qu'ils abusent, ils s'entendent sur euh, l'essentiel. À un certain moment, il faut se poser la question pourquoi, malgré donc toutes, tous les conflits en tout cas qu'on a vécu ces dernières années, pourquoi justement qu'est-ce qui a été fait en amont pour euh, que toutes les parties acceptent finalement euh, de se retrouver autour d'une table Oui, je, euh, me dis que les uns et les autres viennent de des, leçons par rapport justement à l'évolution de la situation sociopolitique du pays. Il y a des occasions ratées. Il y, a eu des occasions, par exemple, en, en amont des élections, il y avait eu et une initiative euh, d'un dialogue inclusif où on a mis un comité ad hoc qui était vraiment en passe de trouver des solutions sur le code électoral. Il y avait, je crois, quatre ou trois articles qui n'avaient pas donc été. Euh, donc, où il n'y avait pas eu de consensus. Et malheureusement, l'opposition avait, avait quitté. Mais je dis, mais vaut tard que jamais. Aujourd'hui, que l'opposition et la majorité, la déclaration sur la sécurité rassure. Parce que, vous conviendrez avec moi, depuis quelque temps, les gens euh, appelaient justement, il faut cette union sacrée. Vous ne pouvez pas, dans un contexte sécuritaire où la situation se dégrade, vous êtes appelé à gouverner un pays, mais opposition comme pouvoir, lorsque le pays est pris en otage par les terroristes, vous avez gouverner qui Donc voilà en fait. Euh, est-ce qu'une que est-ce que une euh, réunion du CNDP est une réponse à l'insécurité absolument. C'est-à-dire que ici, c'est vous voudrait. Lorsque parce qu'on ne peut pas en fait développer un pays, c'est une partie. L'opposition, c'est une grande partie des citoyens qui sont de l'opposition. Donc vous voyez, lorsque le gouvernement prend en compte les propositions de l'opposition sur la question sécurité, de effectivement, ils ont leur approche à eux. C'est des citoyens nigériens. Donc, lorsqu'on a une vision commune, comment faire face à ce moment-là Il n'y a pas de quoi. Aujourd'hui, lorsque effectivement l'opposition ne joue pas le jeu, en tout cas dans le cadre de, dialogue, le pouvoir peut me dire que l'opposition joue le jeu de, terroristes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais il y a tellement de défis. Par exemple, vous voyez la question aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques. Dans le message de l'opposition, ils ont parlé. Il n'y a que dans ce cadre-là qu'on peut effectivement régler la question. Aladji Mohamed Souleymane, tout le monde ici autour de la table salue l'initiative. Comment faire pour consolider et pérenniser ces acquis C'est d'abord être de bonne foi on fait, fait, c'est-à-dire que l'opposition et la majorité doivent euh, tous être de bonne foi. On est venu pour mettre en avant l'intérêt général, l'intérêt du pays. Par conséquent, il n'y a pas de fixation, il n'y a pas de concession de trop pour qu'il y ait la paix sociale. Et je pense que il faut quand même le reconnaître. Je pense que l'approche un peu dialogique du président de la République, qui a fait montre, en tout cas depuis qu'il était là, il a rencontré le couche sociale, mais seulement à l'époque, le contentieux électoral n'était pas vidé il n'a pas reçu l'opposition. Et on a vu justement, euh, juste après, il a reçu le chef de file de l'opposition. Et aujourd'hui, cette institution est un cadre vraiment qui, a, qui est vraiment euh, légalisé, qui a vraiment des, moyens d'existence. Donc, pour conséquent, je pense qu'il faut euh, encourager justement, en, tout cas, moi je pense que si les uns et les autres sont de bonne foi, on pourra par exemple non seulement euh, dépasser, par exemple, on va libérer les prisonniers politiques ou bien les juger, on va également, euh, en fait, parce que déjà, ils ont mis un comité pour réviser le code, euh, le, le, CNDP, vous voyez. Donc, autrement dit aussi, on va revoir maintenant le code électoral, en tout cas, qu'on ne puisse pas avoir une, situation de crise de poste électoral prochainement. Donc, je pense que c'est une très bonne chose que les gens en tout cas mettent de l'eau dans, leur lait, en tout cas c'est mieux pour le pays. Euh, rapidement, Mme Gado, quelles sont véritablement les attentes euh, des Nigériens Mais les attentes des Nigériens, je, je viens de le dire à l'instant c'est que les Nigériens attendent les résultats. Mmh, mmh, mmh. Et des résultats, c'est pour ça que j'ai dit, l'opposition et la majorité doivent s'asseoir, régler les problèmes, les conflits. Euh, est-ce que cela pourra être une euh, réponse à la hausse des prix des produits euh, de consommation courante ici au Niger non, peut-être que ça peut aussi régler le problème. Ça pourrait régler le problème. Puisque <laughs> majorité comme opposition, ce sont quand même des Nigériens. Et ce sont des Nigériens qui utilisent le gasoil. Donc ça peut arranger. L'opposition peut amener la majorité euh, à fléchir et avoir gain de cause par rapport justement à cette charité de la vie. On observe une courte pause. Passons à présent au prochain sujet euh, de ce forum de la presse la situation du paludisme au Niger, selon le ministre de la Santé publique, est en baisse cette année. Le nombre de décès liés à la maladie s'établissait à 5000 en 2021 contre 900 à la date du 1er septembre 2022. Selon docteur Edi Iliassou Sarah, cette diminution du nombre de cas de paludisme dans le pays est due à la qualité des soins et à la prise en charge euh, des malades. Ousmane Sidikou, selon le ministre euh, de la Santé, Idi Ilyassou mainassara euh, si on fait la comparaison entre euh, les cas enregistrés de l'an passé et cette année qui n'est pas d'ailleurs terminée, on peut aisément dire qu'il y a une baisse considérable du cas du malade enregistré. Quel commentaire cette déclaration du ministre de la Santé publique suscite en vous concrètement Merci Mokhtar. Euh, vous avez parlé de comparaison et vous savez bien qu'on dit comparaison n'est pas raison. Je me demande euh, sur quelle base formelle, quelle statistique formelle euh, le ministre s'est penché pour dire. C'est le ministre qui a parlé. Ben, de là que nous prenions ça comme parole d'évangile, excusez-moi quand même. Donc, permettez-nous de douter. Quand on sait qu'en ce moment, dans les différents centres de santé, dans les différents districts, le nombre de cas de palus que ces districts sont en train d'enregistrer. et qu'on me dise que, bon, voilà, euh, comparativement à l'année passée, le, vraiment, il y a une baisse. Là, euh, vraiment, je prends euh, cette affirmation avec beaucoup plus de pincettes. Faites un tour dans les différents districts sanitaires au niveau de la capitale. Allez-y dans les régions. Donc, honnêtement par là moi, je, je, me pose vraiment plusieurs interrogations sur cette affirmation du ministre en charge de la Santé. Donc, il aurait fallu. Vous, vous, dire qu'il a été induit en erreur par ces techniciens Je ne dis pas qu'il a été induit en erreur, mais quand même, je prends avec beaucoup plus de pincettes cette ah. affirmation du ministre de la Santé. Surtout quand on voit le nombre de cas de palus que, qui sont en train d'être enregistrés, même au niveau de la capitale, à plus forte raison dans, l'intérieur du pays, du euh, pays qui plaisait les villages et autres contrées du pays. Moi, honnêtement parlant, euh, je reste et demeure sceptique. Vous conviendrez avec moi que la saison des pluies n'est pas à son terme. Donc, euh, tant qu'il y aura des pluies, tant que les conditions ne seront pas ça, vous êtes d'accord qu'on ne cessera d'enregistrer des cas de palus. Il aurait fallu peut-être qu'à la fin de la saison sortir, et même en ce temps-là, euh, je, douterai je douterais fort l'un dans l'autre, je dis que euh, vraiment, je prends avec beaucoup plus de pincettes euh, cette affirmation du ministre. Il ne faudrait pas que les gens soient mis par d'autres dessins inavoués, plaire pour qui X ou Y, mais la, réalité, elle est là. Quand vous faites un tour, je vous assure, Mokhtar, vous allez tomber de nu en voyant le nombre de cas, surtout des enfants euh, et, des femmes de palu. Donc, vraiment, à moins que nous ne soyons pas sur la même planète. Alaj Mohamed Souleymane, euh, docteur Edi Ilia Soumenassara, a ensuite ajouté que parmi les mesures que le gouvernement a prises avec euh, ses partenaires et que nous avons mis à la disposition des centres de santé un nombre très important de médicaments antipaludéens à titre illustratif, l'an dernier, nous avons commandé l'équivalent du traitement de 5 millions de personnes, ce qui a été revu euh, nettement en hausse euh, cette année. Quelle est votre opinion à ce sujet ben, c'est une très bonne chose. Euh, si, au Niger, le, palu en baisse. Si au Niger, il faut dire que la maladie qui tue le plus de personnes, ce n'est pas le Covid, ce n'est pas le sida. Tout le Toutes ces années, si on a des solutions au palu, on va changer significativement la qualité de vie et on va réduire, en tout cas de façon significative, le nombre de, de morts. Euh, la mortalité euh, infantile, en tout cas, être, euh, ça, va se sentir. quoi. Donc c'est une très bonne chose. Les statistiques, c'est une science. le ministère de la Santé a justement, que nous soient les journalistes les chercheurs, on utilise les statistiques effectivement du ministère de la Santé, c'est eux qui, donc, qui sont officiels. Donc maintenant, comme le dit coup euh, j'espère que le travail a été fait dans la production de ces statistiques. Effectivement, le chiffre donné par le ministre de la Santé euh, est assez curieux. Donc, euh, je considère que c'est un travail qui a été par donc, ces services techniques, les résultats qu'ils ont donnés on espère qu'effectivement, il n'y a aucune euh, idée derrière, en tout cas, ces, chiffres. Euh, mais l'autre élément, moi, je pense qu'il faut apprécier et qu'il faut encourager que le ministère de la Santé puisse mettre l'accent sur ça. C'est leur mesure désormais de faire en sorte que le traitement du pali soit gratuit, non pas pour des enfants de 0 à 5 ans, mais pour euh, tout le monde. Ça, je pense que c'est une mesure salutaire lorsqu'on met suffisamment les moyens pour que effectivement la majorité, surtout dans les centres euh, euh, de santé intégrés, en tout cas au niveau local, où vraiment les gens ont, euh, c'est encore compliqué, s'il y a accès aux médicaments du palais au plus grand nombre de Nigériens, je pense que là, les statistiques du ministère de la, de, la Santé, ça, ça, va être vérifiable justement. Parce qu'en ce moment, comme on l'a dit, effectivement, à partir de ta propre famille, à partir de tes voisins, tu vas voir effectivement, il y a que le palais en train de sévir. Euh, donc, euh, ça, effectivement, qui fait un peu grincer euh, lorsqu'on entend ces chiffres. Donc, moi, je pense que c'est cela qu'il faut. Parce que l'avantage justement de mettre en accent cette politique donc, de la santé, l'accès aux médicaments contre le antipaludien, en tout cas par la majorité, donc, le plus grand nombre, c'est ça. Parce qu'en en fait, l'IDH, en tout cas qui est une actualité, c'est que c'est d'abord l'éducation et la santé. Donc lorsqu'effectivement on agit pour inverser la tendance du Pali aussi au Niger, en tout cas, on va sentir que véritablement les Nigériens vont se, porter mieux parce que tout simplement, quand vous allez voir le nombre de décès euh, dans cette période-là, en tout cas, tout le temps, les gens sont cimetières parce que tout simplement, il y a des, le palu. Euh, bon, vous voyez un peu, je veux dire quoi, en tout cas, c'est sans équivoque, euh, le palu tue et que le gouvernement mette suffisamment de moyens euh, vous voyez, un moment, par exemple, euh, malgré la tête du, du, Covid, mais les gens voient que c'est un luxe. vous voyez Donc, c'est dire que franchement, maintenant que le Covid, en tout cas, d'une certaine façon, est derrière nous, donc, mettons les moyens vraiment euh, conséquemment dans la lutte contre le palu. On, va, s'attendre en tout cas réellement que c'est ça où le Nigeria en tout cas attend le gouvernement. Suleiman, avant le gouvernement organisait des campagnes de démoustication, de fumigation et même d'épandage des produits euh, contre les, moustiques. Euh, cela n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez cherché à savoir pourquoi Justement, le centre anti-palu, effectivement, il fait des actions de communication pour lancer l'opération. Est-ce à dire que les partenaires n'ont pas donné le bon. Qu'est-ce qui se passe justement euh, En tout cas, la question reste posée. On va véritablement chercher à, savoir où est le problème. Mamoudou Diado, euh, selon toujours le ministre de la Santé publique, cette année, le gouvernement a décidé d'aller euh, porte à porte pendant tous les quatre mois de la saison pluvieuse pour donner des médicaments aux enfants et cela gratuitement chaque mois, a-t-il souligné. Comment améliorer davantage Comment améliorer davantage C'est qu'il y a des quartiers qui n'ont jamais reçu, des familles qui n'ont jamais reçu ça. Il y a des quartiers. Moi, en tout cas, principalement, je n'ai pas reçu les médicaments. Même dans le cadre de la chimioprévention Non. Donc ça veut dire qu'il faut se reposer la question. Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que le ministère envisage d'améliorer cette porte à porte qui lui tient à cœur Comment est-ce qu'aujourd'hui, moi, parce que moi, je, suis dépassée par euh, justement qu'on me dise que le paludisme, euh, le taux a regressé par rapport à l'année passée, mais faites un tour. Si aujourd'hui, dans les centres de santé, il y a ceux qui ne peuvent pas aller dans les centres de santé, est-ce qu'ils ont été pris en compte Ces enfants, ces jeunes ou bien ces vieux qui ne peuvent pas aller dans les centres de santé et qui sont couchés chez eux. Est-ce que ça a été pris en compte par les statistiques vous, parlez de ceux qui se soignent avec euh, les médicaments trottoirs, comme disaient les autres oh, Oui, l'automédication. oui, et ensuite, on, parle également de prévention. Les moustiquaires qui doivent appartenir à la population. Aujourd'hui, ce sont les mêmes moustiquaires qui sont sur le marché, qui sont vendus sur le marché. Ah. Il faut se poser aussi la question. comment est-ce que des moustiquaires eh, atterrissent au marché et qui sont vendus moins cher, 250 ou 500 l'unité. Alors que c'est des moustiquaires qui doivent appartenir gratuitement à la population. Voilà. Maintenant, il faut également finir d'assainir la ville de Niamey. Rien, que la, rien que la ville de Niamey. Parce que nous sommes en saison pluvieuse. Il y a des quartiers aujourd'hui inondés, des quartiers où les flaques d'eau là à plus de combien de mètres tu peux observer, tu peux voir déjà sur les flaques d'eau là, les moustiques, le nombre de moustiques qu'il y a. Des quartiers où vraiment c'est des oh, populations qui y vivent là-bas et qui n'ont pas les moyens. Donc dans ce cas, comment est-ce qu'on peut venir aujourd'hui dire à un Nigérien, à celui qui vit dans ce quartier là, que le palu est en régression, la maladie est en régression, il, ne va jamais, il va jamais accepter. Alors dans ce cas, quand on parle de porte-à-porte, il faut savoir faire les porte-à-porte. Il faut que chaque Nigérien, chaque enfant nigérien puisse accéder à ces produits-là. Euh, rapidement, Ousmane Sidikou, comment faire pour une meilleure prise en charge euh, de toutes les pathologies au Niger Est-ce que techniquement c'est possible Bon, euh, je ne suis pas dans les secrets des spécialistes, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Avec euh, les moyens euh, qui seront mis en œuvre, moi, je pense que c'est bel et bien possible. À l'instant, vous en avez fait cas des pratiques qui, euh, cette année, on a, vous a parlé de trucs de fumigène, de trucs de... de, campagnes de démoustication. tout cela il n'en est rien. Et qu'on me dise qu'il y a une régression par rapport à l'année passée. Mais on en a parlé, leur truc de porte-à-porte là. Euh, il faudrait non seulement qu'il y ait un vrai ciblage, une vraie identification des foyers qui en ont besoin. Donc moi je pense que tout cela réuni pourrait effectivement au moment euh, opportun et c'est là pourrait être vérifié et vérifiable quant à une régression euh, du de, nombre de cas. Mais juste, tant que tout cela n'y est pas, je reste et demeure sceptique par rapport à cette régression dont on aimerait tant nous faire euh, croire euh, et dont on aimerait continuer à arguer. Merci Ousmane coup On observe une courte pause. Dernier sujet de ce forum de la presse euh, de ce soir, euh, les questions de l'insécurité dans la zone euh, des trois frontières est préoccupante. C'est à ce titre que j'ai rendu visite au président nigérien Bazoum Mohamed, a déclaré le président de la transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandago Damiba à la presse à l'issue de sa visite de travail au Niger le dimanche 11 septembre le quotidien Sahel dimanche. Selon le président de la transition burkinabé, il s'est agi plus spécifiquement de trouver ensemble de nouvelles dynamiques et de bonnes approches pour essayer de faire face à l'insécurité. Alaj Mohamed Souleymane, le Burkina Faso et le Niger ont convenu de la nécessité d'agir ensemble à travers le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la défense par un accord de coopération militaire et de multiplier les opérations conjointes euh, sur le terrain. Cette stratégie vous paraît être efficace pour lutter efficacement contre le terrorisme Absolument, elle l'a toujours dit la coopération entre le Niger, le Mali et le Burkina, elle est indispensable et elle me semble la plus porteuse, la plus efficace, euh, vraiment euh, venir à bout de ce fléau, le terrorisme. Parce que tout simplement, on a vu par exemple l'exemple des opérations Tali entre le Niger et qui ont donné des résultats. Autrement dit, lorsqu'il a cette coopération euh, vraiment opérationnelle, on se plaint de, la frontière du Mali, donc, euh, de façon conjointe, effectivement, il y aura des actions simultanées, euh, en tout cas ciblées, qui font faire en sorte que les trois pays vont inverser la tendance de manière significative. Mais est-ce que la coopération euh, entre nos deux pays seule pour enrayer, pour éradiquer en fait, le terrorisme si tu veux, quand le ministre de la Défense nigérien est allé au Burkina Faso, ils ont appelé le Mali à les rejoindre. Autrement dit, il y a une sorte de leçon tirée par les, pays, malgré donc pour, en fait euh, l'incompréhension euh, qui est là, parce que en réalité, ce qui s'est passé, on a perdu le leadership politique. Avec le coup d'État, donc au Burkina Faso et au, Mali, il y a plus de possibilités où les trois États, les chefs d'État se retrouvent euh, au niveau du G5 Sahel, en tout cas, ou bien d'autres cadres. donc il y a une certaine, une certaine coupure du dialogue et par conséquent de la coopération militaire. Donc, ce, truc-là, donc, euh, euh, cette euh, défaillance, ils ont senti la, nécessité, effectivement de redresser la situation parce que, autrement dit, ça ne peut pas perdurer parce que sur le terrain, l'ennemi en train de prendre le terrain. Oui, Aladji Mahmoud Suleiman, est-ce que nos pays, à eux seuls, ont les moyens suffisants euh, pour euh, faire face au terrorisme euh, Je suis en train de dire que moi, a priori, je pense que la coopération militaire, c'est autre chose. C'est un appui aux efforts de nos armées. Donc, mais fondamentalement, nos armées doivent être sur le terrain on doit s'organiser les états-majors du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Moi, je, je, dis que c'est absolument nécessaire quoi qu'on fasse, c'est-à-dire que cette diversion de considérer qu'on peut vivre en autarcie, c'est faux. Il faut absolument que le politique, et je pense que c'est cela qui est en, train d'être fait, on, s'attendrait véritablement à ce que, puisque le Mali, puisque le Niger et le Mali sont en train de dialoguer, le Mali, on espère qu'effectivement, les Maliens vont entendre raison, en tout cas, de rejoindre le cadre euh, donc, euh, vraiment de coopération entre les, trois, pays, parce que tout simplement, euh, c'est une situation où il y a un danger commun, mais chacun préfère rester dans, son coin. Et on va tous vous prendre et vous, voyez un peu ce, ce, que je veux dire. Donc moi je pense que c'est absolument nécessaire, c'est une très bonne chose qu'il faut encourager. Espérons que Daniba va parler à son collègue du Mali. On a vu quand il est venu <laughs> au Niger il a déposé son treillis. Je pense que moi, j'ai vu ce Bazoum qui est un démocrate. Peut-être que. <laughs> en tout cas, euh, euh, il était venu, on l'a vu autrement que tu vois. Quoi, Merci <laughs> Aladji Mohamed Suleiman, Memoune Diado. Le Burkina Faso et le Niger, deux pays du Sahel qui partagent une longue frontière, sont confrontés aux attaques euh, terroristes ces dernières années. Et quelle est la bonne recette selon vous La bonne recette, je vais parler d'abord de sa visite. Ok, eh du moment où le président Faso est venu ici au Niger pour euh, qu'il y ait une coopération militaire, moi je ne pense pas qu'aujourd'hui qu'on continue à parler du G5 Sahel. Pourquoi Non, parce qu'ils font partie du G5 Sahel. Ça veut dire que le G5 Sahel a montré son inefficacité. Sa limite. Sa limite dans la lutte contre le terrorisme. Dans ce cas, aujourd'hui, ils vont se regrouper à trois. Donc, créons le cadre aller avec les trois pays ensemble, pour voir ce que ça va donner. Parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai comme l'impression qu'ils ne maîtrisent pas, en fait. Il, le président burkinabé est à bout de souffle. À bout de souffle, à bout de souffle contre. oui, ça veut dire qu'il ne maîtrisent pas la situation. La situation de l'insécurité est en train de prendre une proportion inquiétante, au, Burkina Faso. au Burkina Faso. Et si on y prend garde déjà, nous, nous avons les séquelles ici. Puisque Aujourd'hui, il est impossible de voyager, ne serait-ce que de prendre la route pour aller vers Torodila pour aller au Burkina Faso, c'est un danger, c'est un risque. Donc, s'il vient, c'est parce que tout simplement, aujourd'hui, ils doivent se mettre dans cette position de sauvegarder d'abord les frontières. Les trois frontières, à savoir le Burkina Faso et le Niger, et entre le Niger et le Mali, et le Burkina Faso qui fait entrer vers le Mali. Je pense que c'est une synergie une synergie d'action, et c'était déjà euh, une bonne chose. Et oui, mais, le, Burkina Faso, vous l'avez dit, peine à faire face euh, aux, assauts des terroristes. Mm. Est-ce que c'est par un manque de moyens Comment expliquer cette situation mm. Je ne pourrais dire que peut-être que c'est moi, je pourrais ce que je sais. Il y a des stratégies et il y a également les manques de moyens. C'est surtout le manque de moyens. La coopération, peut-être ceux qu'ils reçoivent et ceux que nous, nous recevons, c'est à peu près, c'est pas la même chose. Mais maintenant, avec nos propres coopérations militaires et les coopérations au niveau du Burkina, je pense qu'ils peuvent arriver à faire quelque chose de bon dans cette situation. Mais tout compte fait, il faut un renforcement, comme je l'ai dit, un renforcement d'abord euh, de capacité euh, euh, en formation et un renforcement également de budget. Merci Maimouna Diado, Ousmane Sidikou, membre euh, du G5 euh, Sahel euh, déjà, le Niger et le Burkina Faso mènent régulièrement des opérations militaires conjointes le long de la frontière. Vous vous souvenez les opérations Tanli 1, Tanli 2, Tanli 3. Pensez-vous qu'il faut changer d'approche et même de stratégie vous savez, euh, aujourd'hui, cette guerre à nous imposée par ces hommes sans foi ni loi, c'est nous dit que c'est une guerre asymétrique. Et que face à l'hydre à mille têtes que constitue le terrorisme, c'est un impératif, c'est une nécessité absolue pour ces trois pays, que sont le Niger, le Burkina et le Mali, de mutualiser les efforts au regard non seulement de la porosité de nos frontières, tout comme euh, vraiment de leur longueur. Aujourd'hui, à l'épreuve des faits, le Burkina, tout comme le Niger et même le Mali, n'ont d'autre choix que de mutualiser leurs efforts. Alors, je si bien dit, aucun pays, en tout cas de ces trois pays, à lui seul ne saurait faire face. La preuve, moi je le dis clairement, la situation est en train de dépasser l'agent militaire. Pour preuve, la proportion territoriale occupée par. au, Burkina, j'en d'abord. Au Burkina, d'abord, la proportion territoriale aujourd'hui détenue par ces djihadistes, elle est, elle est ahurissante. Donc, moi, je pense que euh, cette mutualisation, elle s'impose aussi bien au Niger, au Burkina, au Mali, et vivement que l'appel des deux pays, que sont le Niger et le Burkina, soit entendu par le Mali. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que tant qu'il n'y a pas cette mutualisation euh, des efforts à travers nos différentes armées, il serait difficile que euh, l'on vienne à bout ou bien que l'on fasse véritablement front commun euh, face à ces, terroristes. Donc je pense que la visite euh, du chef de la burkinabé au Niger est à saluer et prions que l'appel, la main tendue de ces deux pays au peuple frère ami du Mali. Oui, mais, le, Burkina quand même entretient des coopérations militaires avec euh, la France. Euh, qu'est-ce qui explique euh, cette débâcle de ces derniers jours au, Burkina Faso Tout comme le Burkina entretient des relations avec la France, la Russie, que sais encore, le Mali, le Niger, ces trois pays respectivement entretiennent des, des, Mais est-ce que cela a empêché que euh, euh, nos populations paient le lourd tribut qu'elles sont en train de payer Donc moi je pense que cette mutualisation des efforts, notamment au niveau de la zone des trois frontières, elle s'impose. Je ne dis pas qu'elle ne serait pas une plus-value, mais elle a montré ses limites non seulement l'avantage qu'ont ces différentes forces de défense et de sécurité de ces trois pays, c'est la maîtrise du, terrain. Donc il ne suffit, le président l'a dit à un des points de presse à Difa, il ne demande qu'à être appuyé, nos armées ne demandent qu'à être appuyées. La logistique, sinon la maîtrise du terrain, nos, hommes, nos forces de défense du terrain, du mieux qu'elles peuvent, continuer à préserver eh, l'intégrité du territoire, la sécurisation des personnes et des biens. Donc j'en appelle vraiment au sens élevé des autorités maliennes pour répondre à l'appel lancé euh, par ces deux pays pour que euh, vraiment cette mutualisation-là soit effective et qu'elle se matérialise à travers des résultats probants euh, quand elles auront amené des assauts face à ces terroristes. Vous, avez quelque chose à dire, Maimouna Non, je pense que moi j'ai tout dit. Ok, y seulement rapidement en 30 secondes. Justement, en fait, vous voyez, le Mali a fait appel à ce que quelqu'un appelle le supplétif russe euh, donc, on a pensé que véritablement c'est une panacée. Mais en vérité, en dehors de la propagande que tout le monde connaît. Il faut compter sur ses propres euh, moyens. Euh, le Mali, est loin d'occuper son, son, territoire, en tout cas qui est occupé par des terroristes. Donc, je pense que revenant sur terre, faisant de la coopération, nos armées ont le secret justement pour inverser la tendance. Merci Alaji Mamadou Souleyman. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, Alaji Mamadou Souleyman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter, et Ousmane Sidikou, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à Houssa et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique euh, côté son assurée par Amina Hassan et à la réalisation Issa Lawali. Euh, c'était Mokhtar Hamadou à la modération. Merci, au revoir.